Nous investi notre président Hamamadou parce que jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que le président Hamamadou est, victime d'une machination politique. C'est vrai, on peut usage des armes judiciaires, mais la question, elle est politique. Et aujourd'hui, à l'intérieur du Niger comme à l'extérieur du Niger, tout le monde est convaincu que ce qui est reproché à Hamma relève, disons, de l'utilisation politique pour en toucher à un candidat qui a un potentiel un candidat qui est très attendu par les Nigériens à la majesté suprême de ce pays, disons, soit euh, bloqué au profit, disons, deux candidats, disons, qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, euh, valent moins que celui que, quels sont vos engagements envers vos partisans Nos partisans, nous disons eh, au niveau de l'Umana, pour être dans l'esprit de notre parti, c'est eh, la mobilisation générale des Nigériens pour prendre en charge, disons, les questions qui engagent leur avenir. nous disons et nous le répétons, et eh, tout est possible lorsque la mobilisation est possible. Mais lorsque la mobilisation devient eh, extrêmement difficile, comme on le constate aujourd'hui, eh, il est difficile aussi de pouvoir réaliser des objectifs des mieux attendus par, disons, le peuple nigérien. vos projets, d'abord, comme tout le monde eh, le souhaite, c'est le retour de la grande sérénité dans la famille Niger parce que nous estimons que le Niger a été fortement divisé et à dessein juste dans le cadre des stratégies de lutte partisane. Vous savez, c'est, ils ont fait usage d'un adage aussi vieux que le monde, divisé pour régner. Donc on a balkanisé les partis politiques pour leur empêcher euh, de réfléchir pendant, euh, disons, la mandature du chef suprême afin de dégager des programmes et, disons, très acceptés et des programmes qui prennent en charge des aspirations légitimes. Donc, c'est à dessein que pendant trois ans, voire quatre ans, le Mala n'a connu que du harcèlement. Et heureusement, pour nous, nous avons à sa tête M. Hamamadou, un homme d'expérience, un homme qui a un parcours, un homme qui connaît bien le Niger, un homme, un homme qui sait c'est quoi le pouvoir et connaît les manettes du pouvoir. C'est une chance pour nous et il, a, il accompagné, il faut le dire aussi, des hommes et des femmes, euh, disons, déterminés à l'accompagner et, déterminés à l'amener, à, à, se mettre à la disposition du Niger tel qu'il a souhaité et comme, disons, le souhaitent aussi les Nigériens.